bonsoir et bienvenue sur votre émission des Jeunes du studio Kalangu. n'a pas de tabou. Nous parlons de tout ce qui touche les jeunes, des sujets qui plaisent à ceux qui fâchent. Nous sommes toujours dans l'ADER, dans la région de Tawa, à plus de 500 km de Niamey aux côtés des jeunes. notamment dans le cadre de leurs études ou business ou encore mais aussi l'utilisation qu'ils en font et la qualité des contenus qui circulent. Depuis 2019, il existe une loi euh, portant répression de la cybercriminalité au Niger. Mais pas ben, ça. De partout, ils font ce qu'ils veulent, des fois, et ça peut aller dans tous les sens. Mungabara, Viruka, matin, Mata, El an yi alawa da abu to muna so mu sani su kuma matasan tawo wani unhwani ne suke da yanar gizo da kafofin sada zumunta wannan fadar dai muna yanta ne tare da Zainabu Ateno Mau elle est du cadre de consultation des associations des jeunes Aria Adamu du CCNEJ Abdou Salam Ab Abakar membre du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et scout également Leila Ibrahim jeune chambre internationale du CI Ramatou Salifou du conseil communal des jeunes euh, Tawa 1 mais également euh, du Cogefil nous avons avec nous Issa Jib Bo Adamou, commissaire régional scout, et Noël Parizo, qui est également euh, de la GCI. Vous le savez bien, Ami de la FADA, on n'a pas de euh, nous aurons la rubrique également. Mais notre chroniqueur chouchou qui est avec nous euh, tout au long de cette aventure dans la capitale de la ah <laughs> ah C'est toujours, bien d'être à ta compagnie, Rabi. <laughs> C'est réciproque. Tu moi, j'aime trop l'argent. Moi, je suis vraiment comme ça, quoi. Sans l'argent, pas de dignité, pas, pas de, de respect, pas de beau pas de quoi Pas d'amour. Ah, ah, ah, no money, no ok du, coup, du coup, moi, je, vais me demander euh. comment on peut se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Parce que on le voit seulement, partage, like, commentaire. Mais écoute, c'est un marché. Et c'est un marché que nous, les jeunes Nigériens, on a du mal à saisir. Donc, on va revenir sur comment peut-on se faire de l'argent sur les réseaux sociaux dans la chronique de ce soir. Ok, ça marche. Money, money, money no Donc, n'oublie pas ça, hein, <laughs> ça marche. <laughs> Top, c'est parti. Les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes ont été au cœur de plusieurs débats. Tun shekarun baya da muka fara jin wasu mummunan amfani da matasa suke yi da kafofin sada zumunta. Ɗazu ina ganin shi bara mun ga bidiyo ka da suka yi ta yawo bisa kan yanar gizo abin da ya bakin gani na 'yan makaranta a Nyamai. Yanzu ina so in sani ko anan tawa wani irin amfani ne matasa suke da kafofin sada zumunta da yanar gizo. Da wa zan fara da kai Noel. Merci, merci Rabi. Mhm. Donc euh, ici à Tawa, je dirais que matasa suna yin eh, utiliser sensibilisation ta kwarai bisa kan kafofin sada sada zumunta na yanar gizo donc en réalité on, on les utilise ici très souvent par rapport à nous qui sommes en tout cas, je, je, je ne peux que parler des, du cadre ou bien du, du cercle dans lequel moi je suis, de ceux-là qui, qui sont instruits. Voilà, mm. voilà. Donc nous, en tout cas, on les utilise pour véhiculer des informations, pour se former, apprendre des informations aussi. On, on crée des forums, on a des groupes, wanda ana ana tura sakonni in akwai wata matsala cikin Niger ko ko akwai wani labari wanda dan kasa ya kamata ya sani duk ana turo su cikin grupopi wannan kuma ana sada zumunta saboda akwai grupopi grupopi wanda ba na labaru ba ne ko ko ba na aiki ba ne kawai gurupopi ne na abutaka kenan ana iya a yi hira ba dole sai kun ga ko da wasu kun ga juna ba mai ana rike zumuncin turai eh, eh, north kote wasi ana aiki da su don neman aiki saboda yau in kana neman aiki ka te saman yanar gizo fisbillah in dai kana kana ta kana diba kana iya samu ana dace wani wuri ana kasuwanci da shi nan ma ana kasuwanci a sai developer mu nan ga ko nan ga university da tawa mata da yawa wani kina da leshin kina na sai ki azawa zafi nan da nan cikin ɗaki kwance ki samu jika ɗari nawa kina zamne kenan akwai amfani sosai cikin kasuwanci da rezo sosiyo gaskiya Les parents se plaignaient des vidéos obscènes qui circulent dans les téléphones de leurs enfants, de l'utilisation plutôt malsaine que ces enfants font des réseaux sociaux et des téléphones. kuna da masaniya a fuskan wannan abu salam sosai kusan mhm. ita shi reso sosai kamar da yadda yake da avantage kuma yana da yan convenient na shi sun matsu wallahi araba diyan su da salunan nan cikin ekol kenan in kuka diba <laughs> mu nan ga kamar yadda ake can cikin birane in muka doko yan convenient wanda mu muke gani Eh, ko wanda muka sani mm. ko kakin in yi magana avantage yan convenient irin wanda muke gani su ban cikin maganan nan ne da muka yi ta delan kansu juvenil wadda muka yi can hauko na yi muku maganan wata yariya wadda aka yi wadda aka yi aka yi harselanta aka taba kamar ne ake ce har salama eh, eh. eh, aka taba ta da da wannan stukar ana tura mata sai tana ganin abun kamar sai fasil ko hayye na gaya mata ga yadda za a ba ciyo dan tusa la wannan yan kombine in babu rezo sosai in ta san yadda za ta utilize shi eske tana yarda da wannan sticker har shi taba ta shi awu tana da ambi har ya kai da inda ta yi mata wayo shi shina son shi mata shina son shi mata kaza ne don gungun wannan yan convenient duk akwai yan convenient kuma na tabin personalitan mutum okay kamar da muke ganin lokacin kampanya a ta zage-zage mutum ya tsohe ma babanka ko ya aihi babanka ma sai ka to sama rezo sosiyo duk da wani wani abun ga contradictory politik koko ba babu ko party guda ka to kana zagin shi koko babu ku da ba ku partage idea guda sai kana bacin shi a lauki rezo sosai ba da haka nan ne aka yi shi ba in muka dawo a bantashi mu nan ga mu deux maxi eh, ni élève eh, ne na modèle I1 hein, modèle des Nations Unies eh, avec l'ambassade des États-Unis qu'on a été sélectionné depuis 2017 c'est sur le truc des réseaux sociaux ok donc an ba mu horo kuma muna hadarsa abokan mu wanda ba su samu watan dama ba ga yadda ake ma muna da blog muna da blog in mu muna yin article in ne sur le thématique paix et sécurité bon gouvernance duka muna yi kuma an gwada muna ga yadda za a ma a samu samu kuɗi ka sai da artikel ɗinka mun gani kana iya san sallah ka shiga suite na pornography ka ta ka shawo sexy yanzu in muka duba kannan mu ekol ecole ke college lycée suna itilizar wanga ma in ka dibi in ka dibi abun da suke aiki da shi sai kaga sai kai sai kaga saboda sai dai eh, abun ga suite pornographic ne suke abin da ka ga mutum ya yi ya yi resharshen wani libo koko ya ta ya bido wani libo ko wani resharshe saman wani filozof ko wani ekirivan ya ta yi ifoke shi ci gaban karatun shi sai dai haka ka batsa ko group in ne na kai suna da inconvenient akwai wani changement positif da ake iya cewa da rezo su ya kawo kamar yadda ake cewa ne ko ne allazi da nashi amanu akwai avantage akwai inconvenient amma kamar yadda noel ya ce mhm. shi in za mu hira avantage in peut-être quand on prend la tranche des étudiants, eux, ils l'utilisent pour renforcer leur capacité parce qu'à la fac, on ne te donne pas tout le savoir. Tu dois faire des recherches aussi pour accompagner ce que tu as eu. vraiment ça positivement et impacté et ça fait bouger. Euh, parce que si tu es diplômé et que tu ne consultes pas Niger Emploi, tu ne consultes pas le les groupes de recrutement. Mais c'est comme quelqu'un qui est malade et qui refuse d'aller au dispensaire. Et c'est dangereux effectivement, là, on l'utilise pour chercher de l'emploi. Ça, c'est évident. Mais lorsqu'on revient à Raokasa, c'est école primaire, collège, lycée. Il l'utilise juste à des fins peut-être, comme il l'a dit, télécharger des films pornographiques, ainsi de suite, et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils, ils, ne font pas bonne utilisation, mais la bonne utilisation qu'ils font, ça les permet d'être en contact avec les parents, avec leurs frères, et Peut-être quelqu'un qui est candidat même au baccalauréat, il peut faire des recherches. Mais là aussi, ce qui est dangereux est qu'à Tawa les élèves utilisent les réseaux sociaux, Google et tout ce qui s'en suit pour faire des recherches, pour tricher. Je suis désolé. Aujourd'hui, on te donne un thème de philosophie. Tu le cliques sur Google. Voilà, il y a un auteur qui a réfléchi par rapport à ça. Et tu fais du copier-coller. C'est dangereux. C'est très dangereux. Donc là, ça pousse les autres vers la facilité. Mais loin des cas, université Gaskia, moi, je pense que il da dama hmm. effectivement ok on va colorer la fada avec sa rubrique rose et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, et maris de la rubrique Rose les cheveux à l'honneur. En astuce beauté, nous parlerons des bienfaits d'une plante sauvage appelée Yodo en Hausa et feuilles en Zarma pour les cheveux. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons les aliments qui favorisent la croissance des cheveux. Ça, c'est avec Maruki. Et enfin, en cuisine, avec votre chroniqueuse Bibi, nous verrons comment conserver la fraîcheur de nos feuilles et légumes longtemps après leur saison. Salut les filles, me revoilà, j'espère que vous allez bien. On a tendance à croire que les cheveux constituent une partie qui ne vit pas. Détrompons-nous les filles parce que nos cheveux vivent et ont besoin d'entretien et d'apports nutritifs en vitamines A et C pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bello, que nous remercions, nous dira quel type d'aliments consommer pour une bonne croissance des cheveux. On l'écoute les filles. Parmi les éléments qui sont indispensables euh, à la croissance des cheveux, il y a la vitamine A. Tout ce qui Pilzen, äh, Labkarotten à tous les aliments qui ont une coloration jaune-orangée, que ce soit la pastèque, que ce soit euh, la tomate. Et également, il y a la vitamine C. Parce que euh, dans les cheveux, il y a une substance qu'on appelle le collagène et c'est ce qui est responsable de la santé des cheveux. Et la vitamine C est favorable à la synthèse du collagène. On prend le moringa, c'est riche en vitamine C. On prend les feuilles vertes de façon générale, sont riches en vitamine C. Les oranges et la famille des oranges, le citron. Plus on consomme la vitamine C, plus effectivement on va avoir une meilleure pousse des cheveux. Également, tout ce qui concerne les oméga 3, les acides gras insaturés, on peut citer tout ce qui concerne du poisson, également tout ce qui concerne nos huiles végétales, c'est également bien pour la santé des cheveux. De retour ce soir, nous allons parler d'une astuce à l'ancienne qu'une mamie nous a confiée qui fait pousser les cheveux, qui les rend plus lisses et fins qu'on appelle yodo en Hausa et en C'est une plante qui pousse dans la nature et que nous pouvons toutes utiliser pour la bonne pousse de nos cheveux. Pour plus de détails, écoutons notre mamie Fatima Amgar. Elle nous dit comment s'utilise cette plante. Moi quand j'étais petite en tout cas euh, la maman utilisait ça pour euh, laver nos cheveux. C'est un excellent démêlant naturel. Après tu as les cheveux euh, bouclés. Quand tu as les cheveux bouclés ça, ça boucle encore plus les cheveux. Ouais Mariam je crois que chez vous les filles tanguis c'est plus utilisé. Hein? même avant 20 j'avais lavé ma tête avec ça. Ah toi tu continues moi c'est quand j'étais petite. <laughs> ok, on passe à la cuisine après quand on a nos cheveux bien lisses, en bonne santé. Ah, dans l'espace cuisine de ce numéro, nous allons parler de la conservation de quelques légumes frais. Généralement, on profite des saisons pour faire le plein de vitamines, avec des légumes et des feuilles vertes. Et souvent, on aimerait bien continuer à profiter de leur fraîcheur, même après la saison, mais ça devient super cher sur le marché. Commençons d'abord par la tomate. On peut profiter de sa fraîcheur. Longtemps, en hein, les plongeant dans de l'eau bouillante, puis retirer la peau après. Découper ou mixer, conserver plusieurs semaines au congélateur dans des sachets ou dans des bocaux. Passons à présent aux herbes aromatiques céleri, persil, coriandre fraîche, basilic ou ciboulette que vous pouvez trouver au marché. Ben, vous pouvez les garder frais pendant plusieurs semaines, mais pour ça, va falloir les hacher, les mettre dans un sachet ou un bocal, rajouter de l'eau ou de l'huile de tournesol ou d'olive. Personnellement, j'ai utilisé les deux et je vous dis, avec l'huile, c'est meilleur. Puis vous les mettez au congélateur ça se garde plusieurs semaines. Ou encore, vous pouvez euh, mixer toutes ces herbes avec euh, du poivron, de l'ail euh, et du piment frais pour euh, les amateurs. Vous pouvez les incorporer directement dans vos sauces ou vos vinaigrettes. Alors, Ravi, toutes ces épices-là et ces herbes, est-ce que c'est accessible sur les marchés Oui, avant c'était super compliqué d'avoir par exemple de la ciboulette euh, au marché ou même de la coriandre fraîche, mais maintenant tu peux en trouver. Il y a des petits bouquets, mais qui coûtent cher. Ça, c'est super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, amis jeunes. On va se dire au revoir sur Sista de Charlotte Dipanda et Yemi à la day. Bye bye la rubrique rose de l'émission Tout à la Fada. Nous sommes toujours aux côtés des jeunes de la capitale de l'Ader. de ta kawo mu a wannan fadar da muka dora a nan stad kintawa umfanin da suke da yanar gizo da duk abin da ya shafi wani kafofin sada zumunta kasuwanci ne ake da shi abin kirki ne ake yi shi yasa da yau muka ce mu zo mu yi wannan zancen tare da su da mujimi ke faruwa eh, quels sont les qui intéressent plus les jeunes de tawa c'est plutôt quoi politique commerce business études c'est quoi Laila du CI aïe bon en vraiment formation surtout sur l'entrepreneuriat euh, a vraiment muna pour passer des informations si si on a des formations à faire on on fait une page là où tout le monde peut intégrer pour suivre la formation Vraiment, dans ce sens, je peux dire que les jeunes utilisent ça à bon escient. OK. Pour des formations. Il a que ça Alors, moi, je vois que c'est peut-être l'actualité qui nous oriente. Sur le débat, actualité n'est qu'orientée de ce débat. a in ana hira in siyasa ni Tout le monde ne parle que politique. Politique, politique. Et on eh, a peut-être un fait divers ya mm. da kai connecté kowane group kake qui sai kaga an an turo on va faire le débat autour de ça. OK. Kenan comment c'est une question de temps et voilà la situation qui prévaut, voilà ce sur quoi on doit débattre. Ok. Un instant, voilà. C'est EJ. les plus jeunes. Hmm. Bon, même nous, on diffuse euh, des informations. Ok. Comme on a des pages aussi sur Facebook, euh, Instagram, etc. Ah, quand ça me question, comment est-ce que tu ça? Comment est-ce que comment as ça? suna da surulus mi suke kallo fuskan shi wani mi suke shi bon akwai kamar yadda dai ake cewa ne je bon kowa e duk wanda an ka gani saman kan wannan abu ila yan bit e duk wanda ka gani for example wani facebook ne wani je ne haka mm. akwai niyyar da ke gare shi bon kamar to tun nan ne an ka samu sabanin tunani kwa tunda tunanin kowa bai zama ɗai sai dai ana iya samun wani wanda tunanin ka kai da shi zai zama ɗai wannan mm. eh amma antika yawanci dai bonni dai da wa'anda nake tare da su kamar yawanci sai son telecharge da film eh, et etc da jeux video wannan etc to ku wa'anda ake shurare le plus sur les réseaux sociaux ya kuke ganin ta tahira qui le plus <laughs> Denise, comment ça se passe Comment vous influencez Bon, influence, hein, c'est vrai, quand on donne les informations, c'est suna liker, suna suivre, mais on est prudent quand même, hein, parce qu'il faut que mes source une Information je suis sur les réseaux sociaux ba haka doka Il faut que tu sois sûr que cette information là quelle est la source wani ne ya wade ta gaskiya ce kaka ta ka bada fake news ka a tai a yayin tarfilan ka ça shi saboda luwa ina da ka hadi man ta cyber criminalité et non duka lutte sur ça mais habituellement c'est quel genre de thématique que vous abordez quelles sont les thématiques qui vous intéressent en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux ici à Tawa ben, la thématique euh, l'association des jeunes activités une des sukiyi okay. sa liberté de activité des jeunes ce qui est d'actualité on connaît activité si c'est la salubrité dans des tous ceux qui passent en Vous communiquez autour. Oui, on partage, on communique bon, pareil chemin, je suis communicateur au niveau de ABCA. Et que euh, peut-être nous avons une politique, sur notre page nous sensibilisons. Chaque jour que Dieu fait, sur notre page de ABCA, nous sensibilisons sur la scolarisation de la jeune fille. Parce que nous, nous faisons et de l'information et de la citoyenneté active. Comment arriver à avoir des jeunes bien éduqués, des bons citoyens, des citoyens modèles, des citoyens responsables. C'était un peu dans cette perspective que nous nous lançons. Et c'est des actions comme ça que nous menons. Et pareil chemin aussi, à wata kungiya da ake des da qui sont e ta ba da dama akwai wanda suka horo bisa kan komai eh, le technique de publication en ligne ya za a hawa bisa yanar gizo a bada labari labari kuma wanda zai sisita intérêt in public kuma ba a ma yi nan sati biyu ba ko sati guda ma sun zo nan sun ba mu horo bisa kan ya za mu yi publication saboda mu kawo magabata su samu su kawo canji bisa kan wata matsala da mu gani tunda su yau magabata ba ido goma gare su ba komi ba su iya gane shi me ni yau cikin karce na in naga wata matsala ina iya je faran da zima je fa'in ne formel ga yanan ga matsalar da na gani ga to ni ga shan kunnan da na kawo magabata in sun gani tana yiwa su kawo canji su to lalle wannan eh, partner da ake sai da shi EPAD yana kama mana biskan wannan abu saboda a samu a samu canji kuma a samu matasa su shiga gaba biskan kawo canji cikin rayuwar su cikin rayuwar ƙasarsu. Il faut identifier les partenaires cikin mm -hmm. publication inka pour que su san kuna nan gai. Exemple ka sa hashtag ambassade de France, hashtag EPAD, mhm. hashtag mm. ceci pour que Hassan kai publier quoi. Voilà. Ouais, pour la Quand visibilité. les acteurs, des, on voudrait bien voir la publication, oui oui. Wi Abdulsalam? Bisa abin da kamar irin gudunmawar da ake ka ne mu eh, in muka ɗauka ya eh, aka ɗauka kamar rezo deja ambassadeur eh, pour la santé de la reproduction et planification familiale. Mu in ko ta yi saman twitter muka yi ƙarfi. Muna developing kamar da thematic tabu wanda ba a iya magana su ta yanzu in mu zamna mu yi su ne sai wasu suna kuma su yi hirar su to muna aiki da wannan kafahe inda muna ganin tun da matasa mun yi yawa kuma mun yi mun yi ba lokacin musamman portable rezo sosai ko to sai muka aiki muka ce muka yi lisahi muka ga to ya kamata a ce muna yin development da thematic tripartite nan wanda za su sa za su sa mutane su yi reaction su ba da point de bi insu in muka dawo mu in mu ta blogger muna pavilion des articles sur la bonne gouvernance paix et sécurité duka abin da ya shahi abin da muke tunanin ci gaba ne da jama'an mu muna zamana mu yi tunani mu yi dan mu ka mutane su hodi abin da su suke tunani saman wannan tematik wanda kana zamanin kama sai ka ga ka samu email na wani mutum wanda baka sani ba ko na wani bature ana labici da lawa saman tematik ka tambayi ka to o nijar sai kwamsa abin ga o nijar hakan gane kuke hakan gane abin situation in yake kuna ishanjan kamar idée quoi mm-hmm. ba kasa guda kuke ba mai sabu permettre da ku yi échanger idée de réalité différent quoi donc tout ça là mu ganin muke kamar abu ne wanda mu sama réseaux sociaux wanda mu yana kawo na ci gaba en tant que blogueur muna hoda abun da muke so amma cikin ka'ida kuma muna denonsan abubuwan da muke gani kamar gwamnati muna ganin kamar tana abubuwa wanda bata yi ba ko akwai wani abu wani shara misali ina iya taya cikin karce na in iska wata shara an zube ta wadda mai ce ya kamata a ce ta kawo wani abu ya ɗoke ta he a barta nan mun san akwai matsala da lahiya dai tura na san ni ban da capacity da zanzakuwa ba ta dokuwa da bureta balle in ce lakshon park so balle in ce in doke in dokasa cikin barta in kai me ina iya in yi interpellant yi denonce a tarabar mafashi. in rubuta wala talkarce wala wala wala autorite ya kamata su yi reagir donc c'est comment kaga iske sun yi parce que plus abun yana ta ya plus suna tsoron abun ya kai inda ba a tamma donc ouais ouais ouais justement là tu parlais de d'un regard qu'il fallait porter sur certains contenus. Je le disais tantôt, la loi du pays sur la cybercriminalité adoptée en 2019 criminalise vidéo qui vont porter atteinte de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Donc, est-ce que ici à Tawa, ils ont un matin, Quand ya shafi wasu matasa hakan ga par rapport à un contenu ou à un commentaire ou à une publication. Est-ce que les, il y a des jeunes qui ont eu déjà ce problème avec la loi à cause de Eh wannan matsala. Mhm. Wannan matsala gaskiya muna jin ta. Da yake dai duk abin da kun san yake bisa rezo sosiyo nan da nan ne duk wanda dai yake bisa ya connecti sama rezo sosiyo duk wata matsala in ta faru in dai kana connecti zaka ji labari. Dai wannan matsala kai akwai ta. bisa wannan abu ka ɗauki foto kamar yanzu a ce adamu ga yanan sai in ɗauki foton shi in she yi fibile san son navi kun gani wannan matsala ne paske yana iya abin ga porte plant bisa na tunda bai da labari na mishi wannan abu tunda foton yana tana iya yanzu in ɗauki foton shi yana da kaya yanzu kun san yanzu na'ura ta yi yawa ga yanan bisa ma portable kana iya kai abin ga foto kole kai yi kai desabiyan shi kai wane ne ina iya yin shi ko kuma in ɗauki fuska shi in zo in aza bisa wani irin wannan akwai matasan da kuka ji sun yi irin wannan abin sun samu problem a justice fetetar example inda zamu bada Eh, ba a yi wata guda ba akwai wani matashi da ya yi wata publication bisa kan eh, wata matsala da ya ce an same ta kuma matsalar da aka diba sai ta et arshifo donc c'était okay. une information non vérifiée okay. c'est une fake news il a dit que voilà parce que mutane suna cikin matsalolin a a to sai aka samu wannan abu nan de buza kuma lokacin aka ƙara samu shi ne ko nyamai to daga nan ne wata da dare sai publication ya an same shi nan tawa wata equal kuma aka verify in eh, lalle ba haka nan bane ba on l'a et il a répondu devant le juge il a été amendé et que voilà kuma aka bashi wani sursi da komi yana voilà ami de la fada kun comme un peu partout. Ici, à Ottawa, l'utilisation des réseaux sociaux est plutôt un couteau à double tranchant. Tantôt, ce sont des outils qui aident les étudiants ou qui aident encore euh, les jeunes dans leur business, mais tantôt, ces outils euh, sont utilisés avec beaucoup de pincettes. Yanzu, quand ta musique, il faut bien qu'on se détende un peu sur la fada. <laughs> je mets quoi Moi, je propose Soga Matassa. Ben voilà, on va écouter Soga Matassa, une mhm. proposition de Adamou, et on se reprend juste après. Gamunan matasa gamunan zuwa. aujourd'hui à la FADA installé au stade d'Ottawa en compagnie des jeunes. On parle de l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux. Il y a un oh, de Euh, selon vous, comment prévenir et contrôler les dérives de ces jeunes sur les réseaux sociaux Justement, eh, ni a abunde na abun da na hoko wanda ya kamata a yi c'est sensibiliser ya kamata a waye mutane kanu su menene rezo sosiyo da ba ne rezo sosiyo ne ya kamata a ce matsayinka kai ndvd matsayinka mutum ne ya kamata a ce ka yi fibiliye ne ya kamata a ce bai kamata ka yi fibiliye ba mine ne, eske in ka ɗauki foton mutum ka tura akwai matsala eske in ka ta yi ka gayi wata ƙarya saman personality na mutum akwai matsala duka wannan abubuwa ne wanda su ne ke kama matasa su ban ko na tawa ko na wani waje matsala saboda yau in ka tabi ka yi ma gwamnati karya ko an kai wani abu ka yi ƙarya in kaza to wannan ne ya kamata son wannan wannan ya kamata a yi civilian matasa ko duka ma jama'a ake cewa su san wani hayya ne ya kamata su yi unhwani da rezo sosiyo gaskiya denis zan dawo janki kina da wata shawara da zaki ba tana ma shuraren namu da ya ne cette émission elle est diffusée dans 52 radio partenaires dans tout le pays shawarar da take ba su bisa kan amfani da suke iya yi ta kirki da wa'annan utikin da ake cewa rezo sosiyo to gaskiya shawarar da zan ba matasa musamman mata yau da wuya a samu mace a ce baki iya dahuwa ba fuske kin yi in dai kina itilizan rezo sosiyo kina ganin farti inda ake cuisine bisa kan entrepreneuria kuma baki cewa baki da labari bisa. shi paske ya dai sit wanda musamman zancen ne kadai ake yi na ya zaki bude entreprise ya zaki samu nif ya za ki yi SCCM kasuwanci da duka ina zancen sipmen ba incubator da petite et moyenne entreprise in kika yi tagen sipmen tun labari in dai bisa entrepreneuria ne zaki same shi haka resign ma da kin yi tage shi ma in dai bisa kan entrepreneuria ne zaki same shi kenan ba mu san mu ji matasa suna cewa mu ba mu da labari mu ba mu sani bisa rezo sosiyo ana zancen ba ba mu taba gani ba kenan si dai c'est vrai tu utilises les réseaux sociaux ba ta yiwa ne ki ce gashi baki da labari bisa kan tel ou tel information fondation na kaza vala za ki same shi kuma gaskiya su daina ki zo ki doki information kin ga wata ta hodi eske kin yi verify kamar yanda wanga yawa sai ki ta watsa shi kaza an ce kaza ai na shi bisa sita in wance an ce kaza eske kin yi verify ko kin tambaye ta sai vrai tai publication shi paske akwai wasu da sun ga wani publication wani wuri sai su doka Mhm. sai aza a ce wancan tatti alor ke ba a yi verifiye ba kuma ba ma naki ne paske ana piratan kwant wasu kwant ana piratan su ya doka bala sai abun ya kai justice ka samu matsala kenan in za ka yi vraiment ka yi verifiye ka diba ga gani akwai sensibilisation diyawa da mutane suke yi bisa kan kuma itilize la rezo sosiyo kana iya zauwa ka gane ko ka ji labarin adamu yana abca ko abdulsalam yana eh, Je vais vous demander, on parle de l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux ou bien les réseaux sociaux nous utilisent C'est la question aussi. Parce que finalement, quand on. parle de money, money, money. Bien sûr bien sûr. Mais quand on a fini d'écouter ce débat, on se dit que les réseaux sociaux nous utilisent. C'est la conclusion qu'on se fait. Alors, Ravi, ce soir, comme je l'ai annoncé, on va se demander comment faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela doit être une priorité pour notre génération D'abord, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, c'est un espace ouvert à tout le monde, un grand marché, où on décide de faire ce qu'on veut, quand on le veut et comme on le veut. Mais malheureusement, les passions ont pris le dessus sur la raison, comme dans la vraie vie d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui nous doit nous amener un gain, on l'oublie facilement, mais ce qui doit nous distraire, ce qui doit nous éloigner du bon chemin, on s'y accroche. Le grand problème aujourd'hui, c'est que notre génération est beaucoup plus concentrée sur la distraction. Et donc, moi, ce soir, dans la chronique, j'aimerais rappeler à tout un chacun que sur les réseaux sociaux, plusieurs entreprises se sont créées. Plusieurs entreprises aujourd'hui qui font des fiertés ailleurs. Mais on se demande, mais pourquoi pas ici, chez nous? Quand on prend un pays comme euh, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est aujourd'hui un peu le poumon de l'Afrique occidentale française sous influence française, où on dit que les francophones ne sont pas bien en business, la Côte d'Ivoire essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Et le Sénégal. Et le Sénégal, bien évidemment. Quand on prend le Sénégal que tu as bien évidemment cité dans le monde du cinéma avec les films, les productions de Marodi, aujourd'hui sur YouTube, qui est un réseau social aussi bah, ces 37 entreprises essaient de se faire de l'argent. Mais pourquoi nous, au Niger, on n'y arrive pas Quand on prend dans le domaine de la vente, le Niger, grand pays de commerçants, aujourd'hui, sur Internet, on n'est pas représenté à travers une boutique en ligne. Mais quand on prend un pays comme le Nigeria, bien évidemment, il y a Jumia qui, aujourd'hui, assure la distribution des appareils électroménagers de différents produits. Et pourtant, nous, au Niger, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Oui, justement, Olivier, est-ce que tu peux nous donner une petite astuce des astuces, qui peut marcher ici. Hein. Des astuces, il y en a mm. beaucoup, mais bien avant les astuces, il faut quand même rappeler qu'il y a déjà des initiatives qui marchent. en aujourd'hui euh, dans la région d'Agadez, une région que je connais un peu plus, eh ben, les artisans ont commencé en tout cas à mettre leurs produits à travers des applications mobiles que je vais taire le nom pour qu'on ne demande pas ce que je paie des frais de publicité, <laughs> bien évidemment, <laughs> bien évidemment, ces initiatives marchent. Ces initiatives marchent également à travers euh, certains jeunes qui osent, mais il faut quand même se dire que si t'en es un million sur les réseaux sociaux, si c'est seulement 1000 ou 2000 personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, franchement, ça ne vaut pas la peine. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et là, tu as demandé des astuces, justement. On est là pour ça. Par rapport aux astuces, ce qu'il faut faire, c'est juste de suivre certaines pages qui essayent de faire la chose la mieux partagée, c'est-à-dire qui essayent de gagner de l'argent. Un clin d'œil à une influenceuse, c'est ce que moi j'appelle une influenceuse, Titi Traoré, qui a commencé à travers sa page 227 Niger Widin, une page Facebook qui aujourd'hui est devenue une entreprise, ouais. un salon, une galerie, qui a ses portes à Niamey. Quand moi je vois ces gens d'initiative, je me dis que oui, c'est vrai que ça ne marche pas, mais il y a de l'espoir. Il y a des gens qui le font. Et ce que nous racontons, ce n'est pas des histoires, c'est des réalités. Donc nous encourageons, j'encourage chacun d'entre nous à se demander comment pourrais-je gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux pour que enfin on ne soit pas des produits des réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux soient pour nous des produits grâce auxquels on gagne de l'argent. D'ici là, portez-vous bien. Père lumière, merci Merci Olivier. Ben, c'était notre produit web. Ben, merci Olivier. C'est la fin de tout ça, la Fada Français à Ossa. Nous étions avec les jeunes de la région de Tawa, de Tawaville, qui nous ont accueillis aujourd'hui au stade de JCI. Merci, euh, les scouts, merci. Cogéfil était avec nous. Nous étions avec euh, le CCNEJ, le CCAJ, c'est ça? Ah, je ne me suis pas trompé les blogueurs, les influenceurs d'Ottawa qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous, merci pour votre contribution, merci pour ces riches expériences, ces discussions qu'on a eues avec vous. Et kuma mun gane dai matasa a nan tawa su comment suna da yanar gizo. Sagai suke kensu. kai dare ana bisa kan yanar gizo ana bisa kan whatsapp da su facebook ana iya yin abin kirki kana iya koyon abubuwa da yawa a bisa kan yanar gizo da su taimaka maka cikin rayuwa ta yau da kullum ko cikin kasuwancinka sai mu ce a huta lahiya